bi mu fi mois d'avril 1988 boba CLAC bi amul won siège ñi ngi ko njëkk na abrité ci ancien maison communautaire bi mu fa joggé sous préfecture jox ñu ancien sous préfecture bu Mewane ñu ñu loger fa CLAC bi boba suñu borom di dogal ñuy dox di dox ba maire wax nako ko CLAC bi cadre yu bari ngay gis Mewane fi seen formation bu ñu joggé école CLAC bi ci la bokk dañu daan ñëw di fi dugg di lire di fi gëstu xam-xam moy lu rafet waye suñu borom dogal tay ñu am joyau bo nga xamanteni mo mel ni ñu diko inaugurer lo nga xamanteni bañ ko fi ndek legi romb na 30 ans tay suñu borom dogal mu am lo nga xamanteni lu mel ni commune mewan bi yépp dinañ ci bénéficier wu waaye duñu jeexal ca ñu ñi nga xamanteni ni bi bi mu fi door ñom ñi ngi ci wan and ak claque bi teyeku fi muy dox ba heure bi parce que suñu ko fi teyewul won plaque bi mën na demee neneen duñu ci fàtte le doyen Manar Diop kooku ci initiateur yi la woon duñu ci fàtte le doyen feu Amadou Makhtar Diagne duñu ci fàtte monsieur El Diop duñu ci fàtte monsieur Gilaye Ndiaye duñu ci fàtte monsieur Ibrahima Seck duñu ci fàtte monsieur Birahim Diop duñu ci fàtte monsieur Cheikh Diouf duñu ci fàtte monsieur Ibra Diop j'en passe comme CLAC bi nag dafa nekk culture dafa nekk compétence transférée aux collectivités territoriales le maire de la commune de Mewan je ne fais les engagements engagement ci ne ko ce qui est du personnel et de l'entretien, le maire de dina ko jël en charge Nous ngi leen voilà le ministre de la culture et de la communication monsieur Abdoulaye Diop sous vos applaudissements mesdames et messieurs. tàccu mon, mon ministre de la culture et de la communication mon ñëw une jii inaugurer centre de lecture et d'animation culturelle voilà.

monsieur le directeur du livre et de la lecture, monsieur le coordonnateur du réseau des clubs de caisse, madame Baye, épouse de feu, monsieur ministre Abdul Aziz Mbaye, parrain du club, représentant de la famille, notabilité religieuse et coutumière de la commune. C'est avec un immense plaisir, mais aussi avec un profond sentiment d'un devoir à accomplir, que je me retrouve aujourd'hui ici à Mewan pour procéder à l'inauguration de ce nouveau bâtiment du club. Je voudrais vous saluer et vous remercier tous au fond du cœur pour avoir répondu à notre invitation. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude à la commune de Mewa, au comité de gestion du club et à tous les partenaires pour ce prestigieux concours apporté à l'organisation de cet événement qui participe à la promotion de la culture en général et du livre en particulier. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le gouvernement, à travers sa politique culturelle, définie par son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, accorde une grande importance à la promotion du livre et de la culture. À travers cette construction du centre et la symbolique de son inauguration, mon département souhaite montrer encore une fois son adhésion sans revers au processus de décentralisation de l'action culturelle, conformément aux orientations de l'actoire de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques. La mise en place de nouvelles infrastructures modernes qui répondent aux standards, la dotation en mobilier bibliothèque, matériel pédagogique, en informatique contribue de façon considérable à améliorer le cadre de confort des usagers. Conscient des enjeux et de l'apport de la culture et de l'animation culturelle, dans l'affirmation et la formation pour le développement du citoyen, la commune de Meoan a consenti à la mise à disposition d'un local pour abriter le plan. Il me plaît donc de féliciter et d'encourager les autorités qui se sont succédées à la tête de cette commune pour avoir compris les engagements qui s'attachent à la culture en tant que compétence transférée. Avec vous, nous sommes disposés à engager ce combat de développement culturel local pour permettre à la population, toute classe d'âge, communauté ethnique et linguistique confondue, de regarder dans la même direction pour la cohésion nationale, la paix, le développement social et économique de notre pays. Mesdames et messieurs, ce centre de lecture et d'animation culturelle est, avec celui de Kambol, de Ndiaganyao, de Joal, les premiers des réseaux du club de Kiev.